Baba Job de la seconde LA, vous restez. Baba, rapproche-toi, un prix pour Baba. Badara, vous restez, vous donnez le prix, vous donnez ces prix-là. Doyen Sey, vous restez, vous restez, vous pouvez rester. Et si vous avez quelques mots aussi à l'égard donc des lauréats que voici, c'est bon. Hassan Fall de la première SB. Hassan Fall, vos applaudissements quand même, ou bien vous ne voulez pas encourager vos lauréats là Encouragez un peu vos lauréats en les applaudissant. Hassan Fall, donc, de la première SB. Les parents, les parents, il n'y en a pas. On va prendre la photo de famille, hein, on ne va pas y revenir après, pour gagner du temps. C'est bon, on doit essayer. Rapprochez-vous là-bas, rapprochez-vous. C'est bon. Hassan, une grande photo pour tout le monde. Vous restez, Baba, tu restes. C'est bon, c'est bon, c'est fait, c'est bon. Badara, merci beaucoup. Vous allez transmettre donc euh, nos remerciements à Dr Baba Diop hein. et M. Thune aussi, son chef de cabinet. Nous sommes fiers en tout cas du travail que vous avez abattu pour nous. Merci infiniment. Je remettre ça donc à Badara afin qu'il puisse l'amener pour Dr Babacar Diop. Monsieur le censeur, venez, veuillez vous rapprocher. Ah, c'est bon monsieur le censeur. voilà. Badara il faudra dire à docteur Babacar. Nous sommes très reconnaissants en tout cas des actes qu'il a eu à poser pour le lycée de Medina Merci infiniment. Merci infiniment. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissez là ou bien vous êtes euh, fatigué là. Nous sommes euh, Diallo, censeur du lycée Ababakarsi de Tiwawon. Monsieur, vous pouvez l'accompagner hein, par galanterie. Monsieur, vous pouvez l'accompagner, monsieur Diallo. Madame Diallo, censeur du lycée Ababakarsi de Tiwawon, va remettre euh, les prix à Ndei Karbala de la première L prime Doyen Modi vous pouvez vous rapprocher pour prendre surtout le prix d'Abdoulaye Bari hein. Abdoulaye Bari n'est pas là, donc euh, Doyen Modi dialogue social, vous allez prendre, prendre son cadeau. Ney Karbala, c'est toi, c'est bien. Les parents de Ney Karbala ne sont pas là. Les parents de Ney Karbala. Allez-y, allez, au milieu, voilà. Au milieu. Au milieu, M. allez allez allez y rapprochez-vous. Le prix d'Abdoulaye Bari va être reçu par M. Euh, Maudit Diouf de Dialogue Social. Hein. Abdoulaye Bari de la première S1. Abdoulaye Bari de la première S1. Donnez le prix. Abdoulaye Bari hein. Abdoulaye Vous restez, vous restez, Madame Diallo, vous restez. Madame Diallo, vous allez remettre toujours un autre prix à Anta Diagne de la terminale L2A. Abdoulaye Barry, c'est fait. Vous restez pour la photo de famille. Vous restez, allez-y. Je le en attendant. Diana, Diaroul, voilà. Anta Diagne de la TL2A. Joko Madame Diallo, mu joko fait. Anta Diagne. Anta Diagne, joko Madame Diallo, mu joko Anta Diagne. Anta, voilà. Rapprochez-vous pour la photo de famille. Rapprochez-vous ici. Ah, mais il y a Hassan, de belles photos, hein Rapprochez-vous. Rapprochez-vous maintenant pour le caméraman. Rapprochez-vous pour le caméraman. Donc, Madame Diallo, rapprochez-vous pour le caméraman pour que les images ne soient pas si lointaines. Hein? Merci. Félicitations donc euh, aux lauréats et lauréates. Euh, l'entreprise c'est une entreprise française qui est installée au Sénégal. On est aussi présent dans beaucoup de pays. Nous sommes présents au Canada, en France, au Togo. Donc aujourd'hui, nous avons la crème qui est derrière nous, qui sont les meilleurs élèves du lycée de Madinafal. J'aimerais un peu rebondir sur le discours de monsieur l'inspecteur, à l'endroit des parents, bien sûr. Euh, chers parents, il faut aussi noter que nous avons une génération euh, que nous devons contrôler, que nous devons encadrer. C'est bien bon de donner des prix, c'est bien bon d'encourager les élèves, mais quand même, je pense qu'il y a un suivi que nous devons faire afin de faire de nos enfants euh, des, cadres dans l'avenir. On continue avec euh, la remise des prix maintenant d'honneur. Au total, on a 60 prix à remettre, mais on a déjà évacué 17. Il nous reste donc euh, toujours les lots, surtout d'honneur et d'excellence et de consolation aussi. Pour les prix d'honneur, nous allons appeler monsieur le préviseur du lycée de Pire. Je veux nommer M. Ibn Diahate, qui fut censeur donc, au lycée de Medina qui abat un excellent travail à Pire. Pire est le lycée le mieux, voilà, qui fait partie des lycées les mieux classés donc de l'IA de Thiès, avec d'excellents résultats au baccalauréat, machallah. Et cela ne nous surprend pas, Ibn. Nous appelons donc euh, l'élève Fatou Bintou Gueye de la 4e E. Fatou Bintou Gueye. C'est bon le prix, on se rapproche. Le parent ou la parente ici présent, présente pour la photo. Fatou Bintou Gay de la 4e E. Ndagay se prépare, Ndagay se prépare. Ndagay et ses parents se préparent. Tu restes, voici Ndagay. Ne, rejoignez pas vos places. Je vous ai dit à chaque fois, après avoir reçu votre prix, restez pour la photo. Il faudra qu'on le répète mille et une fois ici. Hein. Après avoir reçu votre prix, restez pour la séance photo. C'est bon Vous qui n'avez pas encore reçu vos, prix, après avoir reçu vos prix, restez. Ndagaï, après Khadi Bashir, Diop a déjà eu son prix. Nakhali Bachir, voilà. Merci beaucoup. Rapprochez-vous ici pour le caméraman. Rapprochez-vous pour euh, le photographe et le caméraman. Nous remercions aussi M. le proviseur de Pire, Ibn Jahate, pour votre disponibilité surtout. Merci. Merci beaucoup. Ndei Sornassal, qui est censeur du lycée de Fanden. Leïs Nassal, censeur du lycée de Fanden. Madame Ndiaye, hein, Madame professeure de SVT au lycée de Medina Fall. Salah Ndiaye, de la 5e B. Salah Ndiaye, de la 5e B. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, allez, allez, allez. C'est bon À sa dernière année de service, si je me trompe, vous allez me rectifier, elle a été honorée par ses élèves. Préviseur, à sa dernière année, il me semble, hein, ou bien à l'avant-dernière année, elle a été honorée par ses élèves, donc euh, scientifique. Merci beaucoup, Madame Diaye. Vous restez hein, pour remettre les autres prix, à savoir euh, euh, euh Maria de la 3e D. Sokhna Maria Mandoy, par ordre, hein, voilà. Après ça, Ndiaye, Sokhna Mariama de la troisième D. Les parents de Sokhna Mariama sont là. Les parents de Sokhna Mariama. Les parents ne sont pas là. Fatou Diop de la troisième e E. Fatou Diop de la troisième e E. Les lauréates, vous restez pour la photo de famille. Fatou Diop de la 3e E. Voilà, vous vous rapprochez pour euh, le photographe et le caméraman à ce niveau. Madame Diaye, vous vous rapprochez ici. Vous, les autres lauréates, vous pouvez rejoindre. Merci beaucoup, Madame Diaye. Merci immensément et infiniment à vous. On continue la remise. Awanian de la 5e F. Awanian de la 5e F. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Awanian de la 5e F. Voilà, nous appelons monsieur, monsieur venez pour remettre ce prix-là. Euh, advice, venez. C'est lui que j'avais prévu, hein de la 5e F. C'est toi. Merci. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Yolen tout. Monsieur, vous restez pour le prochain prix. Awa, Awa. Awa, tu restes, voilà. Nous appelons aussi euh, Maguette de la 3e E. Maguette C'est bon, rapprochez-vous, monsieur, hein, pour la prise de photo. Maguette Jay de la 3e E. C'est bon, le prix, Maguette Jay. Mme Cheikh Ibrahim n'est pas là, Maguette est là. Maguette Jay. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre accompagnement pour le lycée de Medina Nous appelons monsieur Tal, professeur de français au lycée de Medina pour remettre les prochains prix. Euh, la prochaine récipiendaire de toujours de ces prix d'honneur c'est Mami Kumbambaye de la 6e F. Mami Kumbambaye de la 6e F. Mami Kumbambaye est là. Mami Kumba. Un parent de Mami Kumbambaye. C'est bon. Vous restez après avoir reçu votre prix, Mami, pour la photo. Le prochain, c'est Papa Gore Diop de la 4e C. Papa Gora, nous rappelons qu'en génie en herbe, il était le meilleur marqueur du moins. Monsieur Tal, vous restez. Monsieur Tal, vous restez. Papa Gora était le meilleur marqueur en génie en herbe, au moins. Voilà. C'est un élève à encourager. En tout cas, la, relève est assurée. Hein. Il y a eu d'excellents élèves que nous allons perdre à l'image de Aïssatou, Mamsé Nabou, Mour, Ibrahima, Fatou, voilà donc euh, Sakina, tu vas rester pendant des années encore. Voilà, Sakina, Ndedegen, vous allez rester. On a confiance en vous. La relève est assurée, hein, parce qu'il y a d'excellents élèves qui sont dans le moins. Daour Koumbadien, je rectifie, hein, mais je te connais très bien. Hein. C'est un lapsus alors. Voilà, Modou de la 5e E. Modou de la 5e E. Daour, vous restez. Daour Koumbadien, vous restez. Daour, vous restez. Là où vous restez. Hé, tu viens. Ben Samba, tu viens. Rapprochez-vous pour la photo. Viens, viens, Ben. Expose la photo. Tourbi, tourbi, tourbi, tourum, tourum, ne feigne. Voilà, il y a un nom là-bas. C'est bon, Modou Gueye, hein? Et Ben Samba, merci. Merci à Daour Kumba qui nous a fait un très grand exposé sur la déperdition scolaire. <laughs> Merci doyen. Pour les prochains prix d'honneur maintenant qui concernent le cycle secondaire, nous allons appeler M. Diara, surveillant au lycée de Medinafal. Les parents de Anta Bendegui, rapprochez-vous. Les parents de Anta et de Fatounyan. Les parents de Anta Bendegui et de Fatounyan, rapprochez-vous. Antambenda Gayi, de la première L2, Fatounian de la TS2. Fatounian de la TS2, vous restez pour la photo. Fatounian de la TS2. Voilà, vous restez. Madame, venez, venez, venez. Rapprochez-vous, les parents. La photo, rapprochez-vous ici, rapprochez-vous, devant. Les parents, oui, les parents de Antambenda Gueye et de Fatounian, rapprochez-vous pour la photo. Comme M. Euh, monsieur l'inspecteur de Thiesville nous en avait préconisé, et c'est important aussi, hein, ça a tout son sens, ça a une valeur incommensurable, je dirais. C'est bon, merci doyen, merci. Je vous ai dérangé aux dernières heures de la journée, surtout pour avoir les contacts, les contacts des lauréats Merci, doyen. Même le jour de repos, c'est-à-dire euh, le lendemain donc d'Ashura, je l'ai appelé. Il était uniquement à l'école pour me donner les numéros donc des lauréats afin que je puisse les appeler. Merci, doyen. Nous appelons un de nos partenaires aussi qui a confectionné nos écharpes, qui a confectionné les t-shirts pour nous et pour les lauréats. Donc la commission d'organisation est vêtue de ces t-shirts. Je veux nommer donc euh, Kangou Confection, représenté ici par M. Namori Bakayoko. Vos applaudissements. Fatou Bintou Rasoul Diop de la première L2. Gracias. Gracias por lo toro. Un montón de gracias. Voilà, mashallah. Mashallah. Voilà. Le groupe Kangou Confection va être honoré comme je l'ai dit, par M. Ibrahim Sori Sidibé, un doyen très disponible. On s'est appelé aux dernières heures de la journée et les premières heures de la matinée. Jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, on restait en communication. C'est pour ces raisons d'ailleurs, lorsque je me suis déplacé chez lui, j'ai demandé à sa dame pardon. Parce que vous savez, elle bien, un responsable, le déranger à 1h du matin, 2h du matin. Voilà dans le cadre des activités. Merci Doin Sori. Merci à Namori Bakayoko aussi. Nous appelons le groupe Lemgi de Medina Fall. Lem. lem. Indale lem. Hein? Qu'on après buñ paré ma jaay la lem <laughs> hein? Expliquer un peu le concept de Lemgi OK, OK. Mme Yassine Job de la première S2. Mam Yassine Diop vous avez la parole. ana diplôme Mamad Gueye Mamad Gueye Mamad Gueye c'est bon donc euh, après Mam Yassine euh, Diop nous appelons l'élève euh, bachelier maintenant hein Maudoufal de la première Terminal S1 avec une mention, Maudefal. L'islameur, un grand poète, Maudefal. Vos applaudissements nourris pour Maudefal, Machallah. Tu vas beaucoup manquer au lycée, mais la relève est assurée, Maudo. Mais quand même, tes slams vont beaucoup nous manquer, Machallah. Là. Mam, Yassine, où est Mam Yassine Mam Yassine, tu attends, hein le prochain prix sera remis à Bersimbaï de la première L2. Bersimbaï. La présidente du comité de pilotage. La présidente du comité de pilotage. Elle n'écoute même pas. Madame Wad. Madame Wade, présidente du comité de pilotage de l'organisation de cette journée. C'est la dame de fer. Hein. Elle aussi, nous nous excusons auprès donc euh, de son mari parce qu'on l'a dérangé à n'importe quelle heure. Nous l'avons dérangé à n'importe quelle heure. Voilà. Hein, pour photo. donc euh, suñu te c'est quoi le groupe lemgi? ça peut paraître un peu paradoxal Lemgi en fait ce sont les élèves de la génération 2004 2003 2005 2006 2007 de Medina dans lemgi, vous avez moi qui les représente je suis M. Sankhare professeur de sciences physiques qui, a eu à passer par le lycée Ababakarsi de Tivavan où j'ai côtoyé le doyen Nian et le doyen Youm. J'ai passé aussi par le lycée Amondak Sek de Thiès. Je suis actuellement professeur au lycée Malixi de Thiès. Dans l'EMGI aussi, c'est des chefs de division à l'UVS, informaticiens. Dans l'EMGI, c'est des chefs de département du coude en informatique. Dans l'EMGI, c'est des ingénieurs en génie civil sortis de l'EPT de Thiès qui fut nous sommes les premiers primés ici, n'est-ce pas, des euh, cérémonies organisées par le doyen Badagnan et le doyen Maudou Diouf, Lemgis avait... en fait, pourquoi le mot Lemgi Parce que nous, on était des jeunes qui avaient la chance, je l'appelle une chance, de fréquenter la bibliothèque de l'école Cheikh Ibrafal de Thiès. C'est cette bibliothèque qui nous a sauvés en quelque sorte. Pourquoi Parce que nous savons que nous sommes nous ci qui bi ci lamb ji ci yeneen ak mais nous, nous ñu qui ci bibliothèque bi ce qui va nous sauver c'est quoi tu viens avec une moyenne de 14, tu te glorifies, tu vois à côté quelqu'un qui a une moyenne de 16 et il ne, dit rien. Et à partir de ce moment-là, une relation est née et depuis lors, maintenant, l'EMGI est devenu ce qu'il est. D'accord Donc, c'est ça, en quelque sorte, l'esprit de l'EMGI. Pourquoi maintenant Parce qu'après maintenant qu'on termine nos moments euh, d'études, de, travail, on se trouvait sous l'arbre à palabre à l'école chèvre, sous le manguier, et c'est à partir de ce moment-là qu'on se mettait à jouer, à faire des sketchs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce nom maintenant est, n'est-ce pas, ce nom Lemgui que, vous entendez. Qui se distingue dans un art poétique, un art poétique chanté, hein, j'aimerais bien dire. Je veux nommer donc deux slameurs du lycée de Medina Fall. Fallou est là, Fallou de la première S. Et le duo va être fait aussi par Fallou et un des lauréats. Maudo, Maudo Fall. Le parent de Cher. Des grèves. La jeunesse enterre leur avenir sous la grève. Entre les lacrymos et grenades, ils entretiennent leur tombeau. De l'autre côté, au-delà de ces champs barricadés, où jour et nuit, matin et soir, coule leur sang, Dédication s'envole malgré moral ras Mon intuition me s'efface, ma plume s'enfume faute de ce rhume qui pinaise nos futurs sous les l'usine chemin. Fruits de mon pays, je ne suis pas de ceux qui pensent que jeunesse plus délinquance égale à développement. En revanche, je soutiens que jeunesse sans éducation mènerait fatalement à l'incarcération ou à l'inflation des vices de ma nation. Mais ah. Mes n'ai de ma nation ne pensent qu'à la conspiration pour la dévolution de cette arme qui a sauvé toutes les nations. Jeunesse africaine, surtout celle de ma nation, embrassons l'éducation, c'est là où est notre destin. Capitole de douleurs et de saveurs, le sentiment a un bénéfique qui, au-delà de l'enfer dont vit les au bas d'année à l'école, on les lendemains. Euphorie de savoir, euphorie d'émancipation, euphorie d'émancipation. Le lycée m'acclame la jeunesse qui frame au bout de ses flammes pour faire fuir le monde d'une brillance d'indélo. Symphonie de devoir magistral, Eureka qui plus profond de mon âme, vacille des mots de ma tombe. De par ce slam, j'entends ma voix, car ce temple du temple le choix. Le choix de cartonner dans le monde qui nous sent, Le choix de vivre dans des ruelles Ça Sachez que la raison est impossible pour dire en police de la réalité. Et ainsi l'éducation est l'ultime panacée des rancœurs. Sachez que le sommet de la connaissance n'est pas toujours facile. Il demande de la discipline, de la persévérance et des efforts. Sachez que chaque pas en avant vous rapproche de votre destin, une vie meilleure remplie de satisfaction vous êtes les héritiers d'une histoire glorieuse, celle de seigneurs de David Diop, de ces grands hommes virtueux. Ne laissez donc pas la flamme de l'éducation s'éteindre, car c'est grâce à elle que vous pourrez vous épanouir. Quelle saveur Je goutte à rhum qui affirme le génie pour exploser et extirper une âme sale vers l'horizon et s'y permettre d'inhiber des mots de parler Donc... C'est par toujours journée d'excellence, chers frères, qui, à la quête de l'excellence, ça fait qu'il faut de la motivation pour embrasser la science, de la persévérance pour réaliser des expériences et de la patience pour être disciple de la science. À méditer, à méditer, à méditer. Si l'éducation est un délit, alors le monde est inédit. Si l'éducation est un crime, alors se proclame et plaide coupable. Si le monde est assujetti, c'est Paris, corps et âme, qui des sens de Bézo. Il se relèvera de par la pluie entre l'éducation. Education Forever. rêve. Merci encore une fois. Maud Malik et l'autre Seigne Fallou. Ce n'est pas surprenant en tout cas qu'ils aient autant de talent. Machallah, l'avenir qui vous attend est très radieux, je vous le rassure, Inch'Allah. Voilà, on continue, à la remise, on continue la remise des prix, je dirais, parce qu'il se fait un peu tard hein, maintenant. On ne peut plus se permettre de perdre des minutes. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous, les prix d'excellence. Hein. La suite. Prix d'excellence, moi, Yuruzi. Voilà. Pour la remise des prix d'excellence, voilà, nous avons 12 prix au total qui vont être remis à 6 élèves au collège et 6 élèves au lycée. Voilà, donc égalité parfaite. Mais on a constaté que le leadership féminin est une réalité au lycée de Fall. Si vous voyez bien le nombre d'élèves, le nombre de lauréats et de lauréates qui viennent de défiler, les filles sont largement devant. Sur les 51 lauréats au total, on a 60 prix, mais il y a 51 euh, récipiendaires, 51 lauréats. Il y a 35 filles, 35 dans les 51. Faites donc la soustraction. Voilà, au collège, nous avons Awa Sambaré, prix d'excellence. Hein. Je peux communiquer la moyenne. Elle a une moyenne de 11 Elle a une moyenne de 11 Lafchat, comme on dit. Le prix va être remis à Madame Fatoumata Sek, professeure de mathématiques au lycée de Medina Fall. Madame Fatoumata Sek, Madame Sek, Bintouka, vous pouvez l'accompagner. Madame Gueye, Bintouka, accompagnez-la. Une moyenne de 17-11 en cinquième, machallah. L'avenir est prometteur. Je dis merci beaucoup, merci beaucoup. Et bravo au lycée de Medina Fall. Maintenant, permettez-moi de m'exprimer en Wolof. Euh, parce que euh, nos élèves qui sont là, ils ont du mérite. Vu les conditions dont les élèves étudient, vraiment, ils parviennent à décrocher ces, moyens, Donc, on les félicite. Bravo, lycée de Medina di parents élèves parce que situation bi ñu de di maintenant. maintenant. parents enseignants les encadré beaucoup de soutien duma vais citer M. Sey. Monsieur c'est un modèle, une référence. Nous enseignants nous ci parce que si une école soo tardé si nous monsieur Sey da ngay am kersa vous sa classe vos génnee élèves yi te heure bi jotut si vous classe da ngay am def na lu bari si ñun man de changé na ma am na lu bari lu def ci man na nak xalé yi da di encadrer di len conseiller amul dimanche amul samedi c'est un modèle un grand homme di wax nak aussi xalé yi dañu mérité li ils ils se sont battus corps et âme pourquoi parce que marché sax boo fa demee soo nee Medina Fall laa jëm taximaan bi du la yóbbu dayu ñee ko du la sax nungoo xool léegi xale yi complexe boobu dañ ko dindi parce que dañu ñefe wone seen bopp que ni ñoom aussi ay nit lañ comme yeneen nit ñi pourquoi pas ñu mel comme ñoom am li ñu war a am ils se sont battus corps et âme pour être là donc complexe boobu ñu mon effacé parce que xam nañ que nous avons temps donc je dis encore pour ne pas être long merci beaucoup euh, Alhamdulillah, rabil alamin merci beaucoup madame la prochaine récipiendaire donc c'est Aïcha de la 5e F elle a une moyenne de 17,37 Aïcha Nyan, 17 37. macha et regardez le prochain c'est Mam Cheikh Ibrahima Gueye de la 3e A. ah madame euh, madame Thion jox Mme madame Donne à madame Thion et Mam Cheikh Ibrahima Gueye et le premier au BFM aussi. C'est le meilleur élève au BFM. Il a, il a obtenu une moyenne de 17,67. Et au BFM, et au BFM, il a obtenu une moyenne de 17,76. Au BFM, 7,76. Machallah. Machallah. Il y a un parent, voilà, rapprochez-vous. <laughs> Allez-y. Allez-y, vous vous rapprochez un peu, rapprochez pour la photo donc félicitations encore Mam Cheikh Ibrahim Gueye. ce tour Masha'Allah aussi de sell là, hein, Mam Cheikh. voilà donc Mam Cheikh avec une moyenne de vous restez Mam Cheikh vous restez Virginie vous restez euh, Germaine pour donner le dernier prix à Sakina Lo de la 4e C. Elle a une moyenne de 18,06. C'est la meilleure élève au collège. Mam Cher est le meilleur élève au BFM. Je dis bien le BFM. Et Sakina est la meilleure élève au collège. Elle a une moyenne de 18,06. Elle est en quatrième. L'avenir est prometteur. Machallah. Voilà la photo. Rapprochez-vous ici. Rapprochez. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Seigneur Abdou, c'est bon. Voilà le parent. C'est bon, merci, merci infiniment et félicitations donc aux récipiendaires. Voilà, c'est fini pour le collège, nous allons au lycée. Il a obtenu une moyenne de 15,25 en S1, avec mention bien au baccalauréat. Mention bien, massa à mort. Ce prix va être remis à euh, Morley par Alkali Diouf. Alkali n'est pas là. Alkali n'est pas là. Monsieur Ndiaye Agé, rapprochez-vous. Monsieur Ndiaye Agé. Monsieur Ndiaye c'est bien. Monsieur euh, Silla SVT, rapprochez-vous. Morley, allez-y, Morley, avec une moyenne de 15,25, en terminale S1, je rappelle. La prochaine récipiendaire, la prochaine lauréate est Aïssatou Cham de la terminale L2B avec une moyenne de 15,69. Elle a obtenu elle aussi la mention bien au baccalauréat. Elle a eu la mention bien au baccalauréat. Elle se de la terminale L2B. Hmm. C'est bon, rapprochez-vous. Bah. Et Aminatou Ban de la seconde SB. Elle a une moyenne de 1571. Aminatou Ban de la seconde SB. Imam Isaac, venez remettre ce, euh, veuillez remettre ce prix à Aminatou Ban. Le prochain lauréat est Ibrahima de la TS2. Ibrahim se rapproche. Les parents de Ibrahima et de Ouf, il fait chaud. Voilà, rapprochez-vous, rapprochez-vous. ibrahim Nian, Ibrahima Où est le prix de Ibrahima Eh, Ndiaye, Ndiaye, le prix de Ibrahima ou bien vous allez le ramener avec vous là. il est bon. Ibrahim est là. Donnez à Isaac, donnez à Isaac. mais photo bi un cadeau du Non. Ibrahim, Isaac Isaac non non Aminatou Aminatou. ce prix appartient à Aminatou l'autre à Ibrahim. Ibrahim, Isaac va remettre le prix à Ibrahima. voilà donc euh, oui imam merci beaucoup c'est là. ah ok merci voilà nous appelons monsieur Momad Gueye professeur au lycée de Tiwawon qui s'est déplacé donc de Tiwawon à Thiès merci infiniment Momad Gueye la prochaine lauréate est Mam Seinabou Gueye de la terminale S2 Mam Seinabou, elle aussi elle est bachelière avec la mention bien, elle a obtenu une moyenne euh, donc semestrielle, je dirais annuelle même, de 17-13 en terminant S2. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Mme Seynabou, tout pour euh, reporter euh, les photographes. Après avoir pris vos photos, vous vous retirez pour le caméraman. C'est bon hein? Voilà, vous vous éloignez, ne vous retirez pas définitivement, mais vous vous éloignez un peu pour qu'il puisse prendre. Le comité d'organisation, le comité de pilotage veut honorer un monsieur qui est dans la salle. Je ne vais pas donner de nom. Il a fait six tours. Il est né en 6 octobre, donc devinette. Hein? Je ne sais pas qui va trouver la devinette. Il est né en 6 octobre. Il a étudié au lycée technique André Peytavin. Qui devine Quels sont ceux qui sont forts en devinette là Le monsieur qu'on veut décorer, il est né en 6 octobre. Et il est... Voilà, il a étudié au lycée technique André Peytavin de 81 à 87. Ouh, Machallah. Voilà. Et aussi, il a étudié à l'université Serh Anta Diop de 1988 à 1993. C'est quelqu'un qui a la science dans le sang. Dans son sang, on trouve des X et des Y. Qui est fort en, devinette là Qui est fort en devinette Qui est fort en devinette là En devinette. Dans son sang, il a des X et des Y. Vous, allez me dire que nous avons tous des chromosomes X, Y, hein, ou bien mais lui, il a les sciences dans les veines. Dans son sang, s'il a. S'il en 87, vous imaginez qu'il était à l'école En 87, vous imaginez que Silla était à l'école ou bien en 81 Donc je ne parle pas de Silla. Silla va m'excuser pour une prochaine fois peut-être. Silla, SVT, je ne parle pas de vous là. Vous allez attendre des années encore. Voilà, il est originaire de Tiwawon. Il est originaire de Tiwawon. J'appelle tous les membres du comité de pilotage à me rejoindre. Tous les membres du comité de pilotage, ainsi Sidibé, venez là. Madame Wad, rapprochez-vous de moi. Une donnez-moi ce cadeau-là. La première lettre du prénom du récipiendaire donc de ce prix, c'est la lettre, la lettre, allez-y, celui qui trouve, c'est la lettre I. Madame Diallo, vous êtes excellente, machallah. Depuis l'année dernière, et je connais l'engagement, l'amour qu'il a pour, pour l'enseignement. Remerciez votre président. Remerciez votre préviseur. Levez-vous et remerciez votre préviseur. Je veux que vous remerciez votre préviseur. Trisagnant, très humble, très modeste, très disponible. Il a été à notre secours. Il a été à notre chevet. Il a été à côté de nous pour avoir tout ce travail que nous avons fait pendant des semaines et des semaines, malgré ta situation familiale. <laughs> Merci beaucoup. Nous vous remercions. Nous sommes fiers de notre préviseur. Le comité de pilotage, l'ensemble du personnel, tous les élèves, je peux, si je peux me le permettre, de parler à votre nom. Nous remercions notre préviseur. Il est très digne, il est très humble, très disponible, très ouvert, très généreux. Il est à l'écoute de tout le monde et à tout moment. C'est l'ami de tout le monde à l'école. Lui n'est pas un chef qui dicte, non. C'est un chef qui écoute, qui partage et qui donne des pistes de solutions. Monsieur le Préviseur, nous sommes fiers de vous. Le lycée de Medina Fall est fier de vous, proviseur. Voilà. Son enfant est là, son enfant, son enfant est là. Son enfant est là. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Présente, vous pouvez remettre donc ce... Nous sommes fiers de vous. Mashallah, Mashallah, Mashallah, Mashallah. Monsieur le censeur est là. Censeur, censeur, censeur, quelques mots. Censeur, quelques mots. Machallah, félicitations proviseur. Vous méritez plus que ça. Vous méritez plus que ça. Vous méritez plus que ça. Machallah. Malgré sa situation familiale, il a été à notre chevet, je le répète. Pour ceux qui connaissent, mais malgré tout, il est toujours à côté de nous. Il a piloté donc l'organisation et il était l'initiateur aussi. Au début, on pensait que cela ne pouvait pas être une réalité. Mais lui, avec abnégation, avec engagement, avec détermination, il a fait que l'organisation de cette journée soit une réussite. Nous remercions infiniment notre proviseur. Nous sommes fiers de notre proviseur. Voilà. Sans faire quelques mots. Merci. Son collaborateur aussi est un homme exceptionnel. C'est mon formateur lui aussi, hein. C'est mon grand frère. Masha'Allah. Merci Salam alaikum wa rahmatullah. ñuy encore alhamdulillah di sante Yallah di julli muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ambecte lol cérémonie bi nga du comme je le disais tout à l'heure sans proviseur mu mais il m'avait intimé l'ordre de parler en dernier lieu mais je ne vais pas parler en dernier lieu parce que ce geste-là ne peut pas passer sans être apprécié à sa juste valeur. Mouché Idriss proviseur du lycée de Médinefal, vous remercie de par ma voix et cette consécration qu'il vient d'avoir, c'est la mienne. il y a des destins qui se croisent sans que les gens sachent pourquoi ces destins se croisent. Et parmi ces destins, je peux peut-être citer le destin du proviseur Idriss Seigneur et le mien. On s'est connus au lycée Ababakassi de Tiwawon un grand temple du savoir, un lycée que nous aimions et que nous aimons jusqu'à présent, parce que nous avons fait là-bas nos meilleurs jours. Je l'ai connu tel qu'il est actuellement. Il n'a jamais changé. Baldé disait tout à l'heure qu'il était son formateur. Mais moi aussi, je pense que plus que quiconque ose dire également qu'il est mon formateur. Quand on se parlait au lycée, il passait presque la plupart de son temps à corriger des copies. Je le disais, mais monsieur, le Nian, parce qu'il était mon collègue, il était professeur de PC et moi j'étais professeur de français. Je le disais, je te trouvais toujours en train de corriger. Pourquoi j'ai cité la correction C'est pour tout simplement prouver encore une fois son sérieux dans son travail. Parce que la correction, pour ne pas dire l'évaluation, est la chose la plus sérieuse. Et je parle sous le contrôle d'éminents professeurs qui sont ici. Donc, il riait parce que tout simplement, je connaissais son amour du travail. Et quand j'étais venu ici comme censeur, le premier conseil qu'il m'avait donné, je ne l'oublierai jamais. En ce moment, il était encore euh, euh, censeur au lycée Ababakassi de Tiwawa. Il m'avait dit que, une fois là-bas, rappelle-toi de tout ce que vous aviez fait et qu'on t'avait excusé. Mais rappelle-toi également de tout ce que vous aviez fait avec votre, confiance, avec votre conscience ces mots-là sonnent encore, toujours dans ma mémoire. Seigneur, merci. Il n'est pas seulement un collaborateur, c'est un frère. Et je l'ai toujours considéré comme tel. Tout ce qui lui arrive, je suis le premier à le savoir. Je sais combien il a une abnégation, combien il est courageux. Même dans les moments les plus difficiles, il n'affiche jamais son découragement, il n'affiche jamais son chagrin. Ça, on le connaît chez les hommes de valeur. Donc ce prix, je ne dirai pas ce prix, mais cette décoration, je le répète encore une fois, c'est ma décoration. C'est une fierté pour moi d'avoir un proviseur comme lui et de suivre ses pas. On ne nous a, jamais entendu se quereller. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est devant nous. Ce n'est pas tout simplement cette collaboration que nous avons, mais cette fraternité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mouchélian, merci. Nous continuons avec euh, la remise des prix, des prix spéciaux comme on les nomme, les critères divergent. Le premier prix sera décerné aux meilleurs élèves au BFM. E il y aura trois prix spéciaux qui vont être décernés à trois bacheliers qui ont obtenu la mention à bien. Nous aurons donc cinq autres prix pour les bacheliers qui ont obtenu la mention bien. Et après, on termine avec deux autres prix pour les deux meilleurs élèves du collège et du lycée respectivement. À des deux prix, un pour la meilleure élève au collège, parce que c'est une fille, et un autre prix pour toujours la meilleure élève au lycée, parce que c'est une, euh, fille encore. Tant plus tard, nous appelons Ibrahim Sori Sidibé. Viens, doyen, vous venez. Venez, venez. Ibrahim Sidibé, venez. Vous allez remettre le premier prix à Mam Cheikh Ibrahim Gueye, qui est le meilleur élève au BFM avec une moyenne de 17,76 au BFM. 17,76. Après avoir reçu le prix, vous restez là-bas. Mam Cheikh, vous restez là-bas. Ne vous retirez pas. Même après la photo, vous restez. Lorsqu'il a eu écho de l'organisation donc de cette journée, il a fait la promesse qu'il va faire un acte symbolique. Et comme je l'ai dit, on avait déjà passé une commande à hauteur d'un million trois cent mille, je dis bien, je répète, un million trois cent mille pour acheter donc les différents lots que voici. Lorsqu'il a eu écho de ça, il a soldé toute la facture. Il a payé toute la facture. Mohamed Ndiaye, son représentant est là. Voilà, donc vous restez. Le prochain prix sera remis à Amadou Fall de la TL2A. J'appelle Monsieur le censeur, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Monsieur le censeur, après avoir remis les prix, vous restez, hein, vous restez. La mention a bien donc au baccalauréat. Et j'appelle le prochain récipiendaire, Ndari Ndiaye de la TL2B. Ndari de la TLDB avec la mention à bien. Il faut vous rapprocher. C'est bon, il faut vous rapprocher. Et le prochain récipiendaire est Maude Fall de la terminale S1. Maude Fall, hein, vous restez sans Vous Et nous rappelons, monsieur Idrissa Nyan, Monsieur le Préviseur, revenez, s'il vous plaît. Monsieur le Préviseur va remettre euh, les prochains prix. Vous attendez, les lauréats, vous attendez. Hein. Vous allez prendre une photo après. Morley de la terminale S1 avec la mention bien au baccalauréat. Morley. Morley. Voilà, c'est le majeur donc de sa promotion. Il est le premier du centre. Il est le premier du centre au baccalauréat, là où il a fait donc, le baccalauréat. Morley. Morley, il aussi un candidat de la TS2, qui a la mention bien au baccalauréat, elle aussi. Mam Seynabou Mam de la TS2. Préviseur vous restez. Voilà, vous n'avez pas remis les prix. Allez-y, proviseur, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, proviseur. Pour les photos, il faut immortaliser. Voilà. voilà. Fatou Nyan de la TS2. Voilà, donc les ordinateurs sont accompagnés de clés que Educ Advice nous a données. Educ Advice, merci encore. Voilà. Fatou Nyan de la TS2. Mention bien au baccalauréat. Le prochain lauréat est Ibrahim Nyan de la TS2. Ibrahim Nyan. Non, non, photo. Après, après, il y en a un item. Ibrahim Nyan de la TS2. Et après Ibrahim Nyan. après Ibrahim Nyan. Ibrahim est là-bas, à côté de vous, proviseur. Ibrahim, prenez. Et surtout Cham de la TL2B avec la mention bien au baccalauréat. tout Cham de la TLDB avec la mention bien au baccalauréat. Voilà, après les accompagnateurs, vous pouvez laisser uniquement les, lauréats pour la photo de famille. Hein. Après la grande photo, vous laissez uniquement les lauréats pour la photo finale. Aïssatou Cham de la TLDB après Cham, il reste deux prix pour voilà je vais préciser voilà il reste deux prix spéciaux il reste deux prix spéciaux décernés aux deux meilleurs élèves donc du cycle moyen et du cycle secondaire. Et au cycle moyen, nous appelons Sakina Badrlo de la 4e C avec une moyenne de 18,06. 18,06. Khadija Toutal, Madame Wad, rapprochez-vous. Khadija Toutal. Voilà, c'est bon. Je rappelle, après la remise, vous laissez les lauréats avec leur prix et vous vous retirez. Voilà, Tout, vous allez remettre le dernier prix. Et, eh, eh, ah. monsieur, On se retire, voilà. Hein? Lamna. Oh, c'est bon, donc le dernier prix va être remis à la meilleure élève au cycle secondaire, c'est-à-dire de la seconde à la terminale. Je veux nommer Ndei Deguenyan de la seconde SA. Elle a une moyenne de 17,36. 17,36. Ce prix va être remis à André Degen par M. Diallo, censeur de Lam Lam. Voilà, M. Diallo Mohamed Ndiaye. Je rappelle, Mohamed Ndiaye, c'est lui qui a payé la facture de l'école pour l'acquisition de 11 ordinateurs. 11 ordinateurs. Si vous comptez, ces 11 ordinateurs qui ont été payés par Mohamed Ndiaye. Donc à hauteur d'un million trois cent mille. Voilà. Et son représentant, donc quelques mots, le représentant. assalamu alaikum. wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñu nous ñi dans la salle bi yëpp di la bu baax ci retard bi ndax ñëwoon nañu ci suba ay 9 h 9 9h30 waye waaye dañu génnaatoon nek ci terrain bi rek am yeneen mbir yuñ doon xool yi moo waral sax tënu beeg yooyu ñu ci jégalu bu baax ñu ñëwee fii ci turu Mouhamed njaay di doomu dëkk bi di doomu Medina Fall wax dëgg yàlla ku ne xam na ni lenn rek ko ñor mooy développement quartier Medina Fall bi ñu waxtaanee mu ni ma lycée Medina Fall de seet si nañ ma

suñu moom la ñuy wax proviseur léegi monsieur si après monsieur Ndione yaakaar naa kon Médina Fall lépp lu yëkkati rek ñun am nañ ci part de responsabilité mu xamal ma ni ma à partir d'aujourd'hui lépp loo xam ni école bi da koy soxla moo xam ci table banc wala ci ay siège wala ci ay bureau taxaw na temm pour jàppale ci école bi te loolu yaakaar naa du lu tuuti lii mu def nii nee na ma nanga xamal élèves yi nii amul kii moo dàq jàng moo tax ñu jox ko lii wala kii dàqute jàng moo tax joxuñu ko lii lii jox na ko élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci seen ginnaaw yépp ndax ñii ñépp ci quartier bi lañu dëkk dafay wane ni rek pour encourager leen ni dara nekku fi lu dul jàng ak topp way jur yi madame Gaye moo ñu daan wax naan l'effort Faire l'effort pour persévérer dans l'effort il faut faire l'effort te li effort bu bax la wax deug yalla. ñun dañ Bakayoko xaw nous sonal ci madame madame euh, Wat mu lay nuyu di wax ni muy am contentement ci xibar bi ko wax ak suñu tonton bi monsieur Souri nga xamni momit muy kuñu yaganaw ci yaram ak ci lepp di ci professeurs yi ñu ñaanal leen yal na yàlla defal leen jàmm ñoom lii lépp ñoom la wax dëgg yàlla yenn saa yi dama leen di xool ci tali bi ma ne ñii de ban dalee jàngale ba léegi noppaluwul monsieur Bakayoko ak ñeneen ñu mel ni ñoom le proviseur di la wax ni quartier bi nga nekk mooy quartier bi nga xam ni moo gën a neex a deewee gën a neex a dundee ndax ñi fi yàlla boole ñépp seen xol yi dañoo rafet à part deux tamit lépp loo xam ne rek jëm na ci école bi Monsieur Souri est là, Madame Wad. Masha'Allah, allez-y, rapprochez-vous. C'est bon di yalla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu nga xamné moy fin au cérémonie bi euh, di ci am trop aussi diko partager ak donc nous tenons à adresser euh, nos remerciements vis-à-vis -vis de nos appuyeurs, souteneurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie le comité de pilotage par mon nom, l'administration du lycée de Médinafal, les personnels du lycée remercient le maire de la ville de Thiès, M. Babacar Diop, le directeur de l'AIBD, la directrice de centre de formation, centre centre régional de formation du personnel de l'éducation. Mohamed Ndiaye opérateur économique Maria c'est c'est Nyam. voilà qui a fait un important don de livres aussi voilà de cahiers des cahiers de 100 pages et des cahiers de 200 pages et des stylos un important don Monsieur Mohamed Ndiaye opérateur économique qui nous a doté qui a financé donc euh, voilà la facture pour l'acquisition de ces ordinateurs. Monsieur Moustapha Ndiaye, son frère aussi. Monsieur Moustapha Ndiaye qui l'a accompagné et qui a donné une importante somme d'argent. Papa de la librairie papeterie du Sénégal, Monsieur Papal, notre fournisseur de LPS, qui oh, a donné une importante somme d'argent. Mamadou Taïsek, ingénieur. Mamadou Taïsek a donné une importante somme d'argent. Monsieur Maudit Diouf, dialogue social. Monsieur Maudit Diouf nous a donné un, important euh, matériel lui aussi. L'amicale des anciens élèves du lycée de Médinafal. L'amicale des anciens élèves du lycée de Médinafal, dont vous avez eu euh, donc, le témoignage de oui, oui. vous Sec et oui. Voilà. Wa groupe Lemgui. Donc, aussi pour l'organisation de cette fête. Wa groupe euh, voilà, eux aussi, ils ont donné une importante somme d'argent. Mm Educ Advice. Educ Advice, mhm. voilà, qui a accompagné donc, euh, ces ordinateurs de clés. vous voyez nous sommes des Monsieur, monsieur le maire de la commune de Thiès Nord, monsieur Biram Souley Le maire de la commune de Thiès Nord qui a été. Tango Confection. Kangou Confection nous a confectionné GG gratuitement. Et nous avons aussi un commissaire t-shirts. Machallah. Ibrahim Diop de l'ANSAR, l'ANSAR informatique. L'ANSAR informatique, une importante somme d'argent, Machallah. Nos remerciements aussi vont à l'égard des parents d'élèves. Parce que si su xale yi mënee toog fii ñu di primer c'est parce que yéen yéen a ci def li war avant muy ñëw école xale bi ci kër la génnee donc nous ngi leen di remercier bu baax ndam bu am rek parce que aussi c'est très important et on tenait vraiment à le dire Xalé bu yaro ba am dara ay parents wam lañ ñoo nekk ci naaj bi donc na ngeen seen doom yépp et puis diplôme fi am yépp ngi ñaan mu avec une bonne continuation Merci beaucoup. Merci à, toute l'assistance. Et on, est vraiment content. Merci, voilà. Vous la comme on dit. Il y a un, un ventilateur qui nous a été donné par, euh, offert par euh, Monitou Dialogue Social. Voilà, charité qui est ordonnée devait commencer par soi-même. Mais ici, cette charité va terminer par soi-même.

sa doom bokk ci meilleurs élèves yi euh, ban impression ko ci am ak ban yëg-yëg tey ji nga am ci bis bi. salaamaaleykum wa rahmatullah li julé ci yonenté bi maa ngi ñaanal sama ñaari wajur di ñaanal euh, papaay ndey degen bi nga xamné tay li hommage yi ngi ko koy dëjee mom mi féké wul li té lépp mom la maa ngi koy ñaanal yal na xippé jannatul firdaws suufu Touba woyof ci kawam c'est un immense plaisir bo xamné mom la laa am tey mbégte bu rëy vraiment

vraiment ñun parents yi bëgg nañ suñu doom jàng trop mais bu ñu demee tey école fekk ñu fa professeurs yoo xam ne ils sont dynamiques ils sont bien vraiment ñu épaulé leen jàppale leen ba tey ñu mën a am prix yi ñun ñu def lu dul sant leen gërëm leen di sant aussi monsieur le proviseur bu baax a baax parce que gis nañ taxawaayam bu baax xale yi nag vraiment ñu ngi leen di féliciter di leen encourager ñu gën dem en avant ci kanam rek ci kanam vraiment parce que xale yu neex a jàppale nangoo jàng rek dafay neex a puus daal ñu ngi leen di ñaanal yàlla lafal leen cat ba li ñu jàngukaay ba ndax loolu gis nga li mel waaw waaw dëgg la <laughs> dëgg la bàyyi naa la kàddu gi yow si yaay yaay taaw yaay mag gi yaay lépp vraiment sant naa bu baax gërëm naa vraiment kontaante rek laa fi jële wax dëgg yàlla ñu ngi maa ngi félicité xale yëpp vraiment récipiendaire yëpp maa ngi leen di félicité di len ñaanal li yalla doon seen njiglaay yenen uh, diplôme top ci top ci machallah merci beaucoup. wala madame ñu gis tay ji nak nga ñew fi nga xamanteni moy mooy remise euh, li nga xamanteni moy euh, cadeau yi ak li ñu décerné xalé yi tay sa doom bokku ci ban mbekté nga ci am tay ji ak ban contentement nga ci am. vraiment content na ci torop torop torop sama ko sédé na torop ko ñaanal mu nekk prix gëna gën mag ci aduna di ñaanal. professeurs yi ñëpp a si jàpp wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu baax lañ ñaanal école bi jëm kanam macha allah. macha allah ma ñëw nag ci élèves yi nga xamante ni mooy bagage yi gis na waaw sonn na xam naa ne bagage yi na parce que euh, xaar bi xaw na yàgg trop.

aussi euh, être parmi euh, les meilleurs élèves issus du Ce C'est pas évident du tout. Maintenant trop pendant 9 mois mu metti trop ak euh, pression de ñu leen teg dit que nga avez si ci loo bi lan bon apprendre les leçons et faire des exercices aussi ce sont ces deux ces deux choses là qui sont qui sont les différentes clés qui puissent pousser à la réussite alors maintenant ce qui est yi nga xam ñu ngi topp aussi apprendre les leçons et faire des exercices tout simplement. Ce sont ces deux choses qui pourront à l'avenir payer voilà merci beaucoup mbokk téléspectateurs yi kon loolu lañ leen indi loon tey fii nga xamante ni salle bi ñuy wax euh, casino ñëw ànd ak ñi nga xamante ni mooy les élèves ak parents d'élèves yi ak ñi nga xamante ni corps professoral bi ànd ak aussi ñi nga xamante ni tey jii mooy képp ku yeewoo ci diwaanu Medina Fall rek lii c'est une fierté ci li nga xamante ni mooy Thiès du ni sax non seulement Medina Fall mais Thiès si jëmi bopp lii fierté la nominé nañ xale yi def nañ ko comme ni mo waxé àndoon ko nak ak ki nga xamanteni moy wa waa Thiès Média di jaajëfal également ki nga xamanteni moy suma cameraman ñu di ko wax monsieur Abdou Mbacké Sow jaajëfal Modou Fall khadi Taban jaajëfal également ki nga xamantene moy mooy sunu PDG le président directeur général monsieur Ibrahima Jacques mi nga xamantene mom moom ndeysaan bàyyiwul dara ci li nga xamantene moy bis bi ñu jagleel wa Medina Fall kon mbokk yeeg khadi yeeg am di su ko defee rek ñu jox leen dig daje ba année prochaine incha allah merci beaucoup.